L'ensemble des huit régions du pays ont été touchées avec Niamey comme épicentre qui a enregistré environ 74% des cas. La situation s'est nettement améliorée depuis le mois d'août 2020. Depuis l'ouverture des frontières aériennes le 1er août 2020, les cas enregistrés sont essentiellement des voyageurs demandeurs de tests COVID-2019. Cependant, ces dernières semaines, au niveau international, nous assistons à une deuxième vague de la pandémie qui semble de plus grande ampleur que la première. Au niveau national, nous assistons de plus en plus à une recrudescence des cas ces derniers, ces derniers jours. En effet, les cas enregistrés sont essentiellement des migrants testés dans le cadre de leur préparation au rapatriement au niveau de leur pays d'origine. Il s'agit de groupes de voyageurs provenant des pays voisins Certains ont été testés au niveau de la région d'Agadez, d'autres au niveau de Niamey. Les derniers développements de la situation doivent attirer l'attention de tout cas. Les derniers développements de la situation doivent attirer l'attention de nous tous, car il faut craindre une réédition des épisodes de mars et avril 2020. Ceci est d'autant plus justifié quand on sait que nous assistons à un relâchement total dans le respect de l'ensemble des gestes barrières recommandés dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Ce relâchement se traduit entre autres par le port de masques qui se fait pas très peu, le port de masques qui se fait par très peu de populations, tant dans les lieux de regroupement, dans les écoles que les lieux de travail. La non-utilisation des dispositifs de lavage de mains mis en place dans beaucoup de services et grandes surfaces. L'absence de distanciation physique. Les consignes d'autoconfinement données aux voyageurs de retour non respectées. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des populations à redoubler de vigilance, car la période que nous traversons, marquée par cette deuxième vague au niveau international, et la saison froide qui s'installe est fortement favorable à la réémergence de cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé publique réitère les conseils ci-après. Le respect strict des gestes barrières, port de masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec les gels hydroalcooliques, la distanciation physique. Dans les administrations publiques et privées, y compris les établissements scolaires et privés, publics et privés, qui doivent veiller scrupuleusement au port des masques par tous les travailleurs et les usagers. Le recours urgent aux services de santé devant tout cas présentant les signes de suspicion de la COVID-19, à savoir la fièvre, les maux de tête, l'atout, les difficultés respiratoires, la perte d'odorat ou du goût, le respect des directives pour les voyageurs au départ et à l'arrivée par voie aérienne. Il est demandé à tout voyageurs de se munir de leur test COVID-19 PCR négatif et valide, avec une durée de validité de 72 heures. Compte tenu de la situation, de nouvelles mesures concernant les voyageurs rentrant au Niger par voie aérienne seront appliquées à partir du 20 novembre 2019, à savoir 1. Si le test COVID-PCR est négatif, le voyageur est soumis à l'auto-isolement obligatoire à domicile pendant 7 jours, avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et le recours aux services de santé le plus proche aux besoins. Le passeport du voyageur sera retenu par la police jusqu'au contrôle au septième jour. Le passeport lui sera restitué après présentation du résultat des tests Covid négatifs. Chaque voyageur autoconfiné sera soumis au septième jour à un test Covid-19. Si le test est positif, il sera pris en charge conformément au protocole national. Si le test est négatif, il sera mis fin à l'autoconfinement et vaquera à ses occupations. Des équipes de la riposte passeront régulièrement pour évaluer les paramètres de surveillance et surtout de l'effectivité du respect des mesures préconisées.